Génération FM. Génération FM, the best radio. Génération FM. Mesdames et messieurs, auditeurs et internautes qui suivent la radio Génération FM partout dans le Sénégal et dans le monde, vous le savez bien, nous sommes à Poponguine, 134e édition du pèlerinage marial. La délégation de Ziguinchor euh, siège ici. Nous avons fait le déplacement de Ziguinchor à Dakar en passant par Cap Deviche, direction à Poponguine. Et nous y voilà, 48 heures passées ici. Euh, tout à l'heure, vous aurez tout ce qui est impression de tout ce qui s'est passé ici avec moi sur ce plateau pour cette édition spéciale que nous vous proposons, euh, édition spéciale, spéciale Poponguine, euh, parce que l'événement oblige l'ampleur de dimension internationale, nationale, plus ou moins, ce qui reste c'est l'état des lieux, ce qui s'est passé. Alors, nous allons le faire. Une première pour euh, le diocèse de Ziguinchor. Je suis avec François, François euh, plus connu sous le nom de Franfo, euh, qui est de la délégation de Ziguinchor. François, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes François Préra, vous venez de Ziguinchor, vous vous présentez, vous me dites tout ce qui concerne l'organisation. Quel est votre rôle dans tout ceci Voilà, moi c'est François Préra. Je suis du diocèse de Ziguinchor et je suis l'organisateur principal de, ce, de ce marche pèlerinage en collaboration avec euh, le directeur diocèse des œuvres. Donc ce pèlerinage qu'on organise chaque année au niveau de Popongine est un pèlerinage que les jeunes de Ziguinchor qui depuis déjà fort longtemps participent à ce pèlerinage avec les jeunes de Dakar qui, c'est quelques années que nous avons pu faire ce match-là avec la SICOMAP de, de, Dakar qui nous accueille et avec ces jeunes de la SICOMAP de Dakar que nous organisons cette euh, marche. Alors, les jeunes de Dakar, ils sont bien représentés. Il est là, à ma gauche, naturellement. Je vais laisser le soin de se présenter et de nous dire ce qu'il occupe euh, dans, à l'organisation de cette marche euh, Poponguine Popongine 2022. Bonsoir tout le monde. Euh, c'est Daniel Manga, le coordinateur des jeunes marcheurs du José Ziguinchor au niveau de Dakar. Parce qu'on a un nombre à Dakar et on travaille en parfaite collaboration avec euh, nos frères qui sont de Ziguinchor. Donc on travaille sous la coupole de François Préra. Alors, vous êtes euh, coordonnateur de la marche Poponguine au niveau de Dakar. Ziguinchor, ils ont quitté Ziguinchor, la délégation de Ziguinchor a quitté Ziguinchor pour Dakar. Euh, quelles sont d'abord vos impressions et par rapport à l'organisation, quelles ont été les difficultés que vous avez eu à rencontrer Bon, Ziguinchor nous, on a. C'est juste qu'on a, on a, on a, on a fait la marche de Ziguinchor à Dakar. C'est-à-dire on fait partie des, des pèlerins qui ont fait la marche comme les Franco. Ils sont venus au martyr. Parce qu'ils ils arrivent le vendredi. Le vendredi, ils arrivent au martyr de l'Ouganda. Et le samedi, avec la Sikomap on marche avec eux. Donc du coup, comme nous, on est à Dakar, on est des frères, on a nos frères, nos sœurs qui viennent. Donc c'est pour cela qu'on a pris l'engagement de, de faire tout pour qu'ils puissent être dans de bonnes conditions. C'est-à-dire, avant qu'ils arrivent au martyr, qu'on prépare le repas pour eux, qu'on puisse les alléger. Parce qu'on sait qu'ils ont fait des kilomètres et des kilomètres pour venir. Donc, c'est notre rôle. Tout faire pour que à chaque fois que nos frères viennent, qui soient dans de bonnes conditions. Alors, la question que l'on se pose naturellement, c'est que euh, euh, du point de vue financier, parce que cela nécessite de l'argent euh, pour pouvoir accueillir toute une délégation qui a quitté le sud du Sénégal pour rallier la capitale sénégalaise, cela nécessite des fonds. Comment vous faites pour trouver tous ces fonds Bien sûr, pour ça, ça nécessite des fonds. Parce que le pèlerinage de Popongine, ce n'est pas facile si on n'a pas assez de fonds. Mais avec nos différents contacts. Parce que là, nous, on a une association. Et je lance un appel d'abord à tous nos frères et sœurs du diocèse de Ziguinchor qui sont ici à Dakar de venir adhérer à notre amicale. Parce que l'amicale, son but, c'est d'aider nos frères, c'est de nous aider nous aussi. Donc par rapport au fond, on va avec les moyens du bord. On va avec les moyens du bord on se donne des cotisations, on fait des réunions, on a un bureau. Parce que c'est cette année-ci que l'amical est structurée. Parce qu'avant, à la base, Fanfo, il nous appelait, on venait donner des coups de main et tout pour la cuisine. On était trois à quatre personnes. Mais cette année, on a senti que maintenant, il faudrait qu'on soit structuré pour venir aider nos frères. Parce que tu ne peux pas de Ziguinchor, arriver à Dakar le vendredi à 19h et pouvoir cuisiner, faire la cuisine. C'est impossible. Donc, on est structuré. Encore un appel à tous nos frères et sœurs du diocèse de Ziguinchor. On a une amicale des marcheurs du diocèse de Ziguinchor, section Dakar. Venez adhérer et on va bien faire le travail. Alors, je vais me tourner vers Fanfo, François Aprera, pour lui demander la question que l'on se pose. Euh, qui débarque à Dakar, vous êtes accueilli, pas comme les autres, accueilli par euh, les ressortissants de Ziganchor résidant à Dakar. Euh, vos impressions par rapport à la qualité de l'accueil, par rapport à tout ce qui s'y passe Voilà, merci beaucoup. C'est, je dis un grand merci à ce groupe de jeunes qui, depuis des années, comme il a si bien dit, c'était un petit noyau qui était là, en train de nous aider pour les organisations de ce, de pèlerinage. Et cette année-ci, ils ont pu faire ce que nous avons jamais eu quand nous venons à Dakar. Et ils se sont regroupés en amical et nous avons vu que les choses, euh, peut-être ce que je peux dire, c'est on était un peu en retard. Et cette année-ci, l'accueil qu'on a eu, on ne l'a jamais eu. Et vu aussi l'effectif qu'on a, qu'on a eu cette année-ci, l'effectif, euh, notre effectif était de 300 jeunes. On a regroupé 300 jeunes à ce pèlerinage. Et moi qui suis à ma, à ma 20e année, 20, je dis 20, 22 ans de marche, je n'ai jamais eu ce, ce, ce groupe-là. Et concernant l'organisation de Dakar au Cap des Buges jusqu'ici, au niveau de Poponguine, tout se passe très bien grâce à ce groupe-là. Grâce à ce groupe-là. Et là, je profite de l'occasion pour dire un grand merci à leur parrain, euh, Auguste euh, Niaga et sa femme, qui les a coachés, comme on peut le dire, les a organisés et qui est toujours derrière eux pour les pousser pour leur dire que ah, ce sont vos jeunes, ce sont vos frères qui sont là. Donc faites tout pour les accueillir et avoir bonne collaboration avec ces gens-là pour mieux travailler. Et là, on a vu le résultat aujourd'hui. Alors une collaboration, forcément, ça nécessite euh, des moyens financiers, une manne financière. Quelle est la participation de Ziguinchor par rapport à, cette organisation, par rapport à tout ce qui est euh, euh, prise en charge de, de l'arrivée des marcheurs de Ziguinchor au niveau des martyrs de l'Ouganda Voilà. Euh, cette organisation nécessite euh, un financement. Et là, je profite de l'occasion pour dire à nos autorités de, nous aider durant ces, genres de manifestations. Nous, à Ziguinchor, est trop laissés en rade. Il n'y a que quelques politiciens que je remercie de passage et je ne je me tairai de dire leur nom, qui nous ont aidés quand même à pouvoir euh, effectuer, ce voyage. Et cette année-ci, vous me permettez d'appeler le, nom de cette dernière, Madame, euh, Madame le ministre, la maire de, de Niagis, euh, Madame Victorine Day, qui n'a ménagé aucun effort pour nous aider. Et cette année-ci, je peux dire que c'est grâce à elle qu'on a organisé ce, grand pèlerinage. En tout cas, elle a tout fait pour nous mettre à l'aise. Et je profite l'occasion au nom des marcheurs des Ziguinchor et les pèlerins de lui dire un grand merci, un grand merci pour ce, cet appui qu'elle a pu faire euh, envers nous. Alors, on soutient qu'une vient de Madame euh, la secrétaire au logement, Madame Victorine Ankdijndey, maire de la commune de Niagis. Alors, vous de Dakar, euh, vous entendez qu'il y a un soutien de Madame euh, Victorine Ankudijendey. Est-ce que vous êtes mise au courant par rapport à l'aide peut-être financière qu'elle a eu apportée à la jeunesse Grands-Choroises Si, bien sûr. Parce qu'en fait, de passage, comme Fanfo l'a dit, on remercie Madame la ministre parce que elle a même fait la marche avec nous. Ça fait des années, en tout cas depuis que je suis le coordonnateur, ça fait des années qu'on n'a pas vu une autorité faire la marche. Donc euh, que Dieu lui rende ça au centuple. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on travaille en parfaite collaboration. Eux, ils font leur démarche, leur démarche pour euh, des soutiens. Nous aussi de notre côté, on fait nos démarches pour le soutien. Mais tout cela, c'est pour, c'est pas du genre, ils ont leur, ils ont leur, ils ont, ils ont, ils ont leur entrée. Nous, on a nos rentrées. Donc, on va, on va, on va, on tout mélanger pour. Non, c'est juste que nous, on le dit carrément. Cette année-ci, on prend jean charge ça et ça et ça. C'est à nous de nous débrouiller par rapport à nos soutiens pour gérer ça. Mais quand même, on est en collaboration avec eux. Chaque semaine, chaque jour, on est tout le temps au téléphone. Juste pour une bonne coordination de, la marche. Alors, par rapport à l'organisation du pèlerinage marial de Popongine, une fois ici à Dakar, au niveau de, euh, comment on l'appelle déjà, des martyrs, euh, place martyr, martyr Cap des Biches, Cap des Biches, euh, euh Popongine, Popongine, l'organisation logistique, c'est-à-dire, vous avez sans doute à rencontrer des problèmes. Quels ont été ces problèmes Bon, c'est vrai qu'on a, eu, on a eu des problèmes plus compliqués des années auparavant que cette année-ci. Mais cette année, comme je vous l'ai dit euh, depuis le départ, euh, au début, on était 3 à 4 personnes qui étaient mandatées par Fanfo. Mais on a eu à avoir notre amicale, on a un bureau, on a la commission logistique, on a l'organisation. Donc, on a des membres qui on a fait le dispatching par rapport au boulot. Donc, ça a été facile. Hein. Cette année, ça a été facile. Ça a été facile pour amener les bagages, pour dresser les tentes. Parce que du, au moment où les marcheurs de Ziguinchon étaient en route, la commission logistique et la commission d'organisation de Dakar, en collaboration avec ceux de Ziguinchon, ils sont venus, on a dressé toutes les tentes. Donc, cette année, on rend grâce à Dieu et on espère que les années à venir, que ça soit un autre pèlerinage meilleur que celui-ci. Alors, un pèlerinage meilleur que 2022, c'est le souhait de tout pèlerin. Mais euh, vous avez eu à rencontrer des problèmes, surtout au niveau des caps des Biches. On a eu à entendre des échos, des rumeurs, euh, disant que la qualité d'accueil n'a pas été au rendez-vous, peut-être, qui sait, est-ce que c'est votre impression Est-ce que vous partagez le même avis euh, par rapport à l'accueil au niveau des Cap des Biches de la délégation euh, régionale de Zingachar Voilà, au niveau des Cap des Biches, euh, moi qui suis mandaté par le diocèse et d'après beaucoup de rencontres avec la Sicomap, dont même nous, avons des représentants dans ce bureau, je sais bien que la Sicomap a fait beaucoup, beaucoup d'efforts. Et au niveau des Cap des Biches, ne peut pas contenir tous ces jeunes qui viennent du diocèse de Dakar, du diocèse de Ziguinchor et même du diocèse de Banjul. Donc, je pense bien que euh, ce sont les aléas. On s'est débrouillé avec pour tant mieux être euh, à l'aise dans ce, dans, ce, dans ce lieu. Mais ce n'est pas comme on le souhaitait. Mais j'espère bien qu'à la longue, on aura trouvé des solutions pour pouvoir régler pallier à cette situation. Et ce qui concerne, si vous me le permettez, ce qui concerne ici la maison Émile Badian, cette année-ci, c'est très très très étroit pour mes jeunes de Donc euh, la maison, vous le voyez même, et vous pouvez faire le tour pour voir comment est délabrée cette maison-là qui depuis fort fort fort longtemps, cette maison est laissée en rade. par, je peux dire d'abord, par nos autorités religieuses, de deux, et par nos autorités diocèses. Donc, il est temps, encore une fois, il est temps que cette maison-là soit prise par, si le diocèse ne peut pas le prendre, et que nous, les paroissiens qui sommes chaque année ici pour ce pèlerinage-là, qu'on puisse le prendre à et que nous puissions faire des démarches pour ne serait-ce pour le réhabiliter et pouvoir contenir les jeunes qui viennent. Parce que d'année en année, les jeunes se, se manifestent pour cette, ce, pèlerinage-là. Parce que c'est un pèlerinage annuel qui est organisé pour tous les diocèses de, du Sénégal. Donc, comment Ziguinchor peut avoir ce bijou et que le diocèse de Ziguinchor le, le néglige Moi, je pense bien qu'on est train de négliger ce, bijou-là. Je sais bien que si les autres diocèses avaient ce bijou-là, donc on n'allait pas être, être là et avoir cette maison délabrée comme ça. Excusez-moi de, de, parler ainsi, mais quand même, moi aujourd'hui, ça fait plus de 22 ans que je viens dans cette maison-là. Pas de changement. Pas de changement. Chaque qui vient ne trouve que deux toilettes pour 300 jeunes deux chambres pour les moment et la cour qu'on habite, qu'on occupe avec des fers, la ferrarerie, des personnes qui ne sont même pas du diocèse, qui, qui occupent euh, le bâtiment et que nous autres, avant même d'arriver dans, dans ce bâtiment-là, il nous faut faire des démarches pour pouvoir être, euh, comment dirais-je, accéder dans ce, dans ce bâtiment-là. Moi, je dis que non, ça ne peut pas continuer. Il faut que les gens puissent s'asseoir, disons qu'on s'assoit avec notre, nos autorités diocésaines pour qu'on puisse prendre ça en charge, prendre ça en main, afin que nous puissions améliorer nos conditions de vie, arriver ici à Poponguine. Voilà. Alors, je vais retrograder Fanfo, parce que vous le savez bien, euh, le prix euh, du transport euh, de, de la participation, je veux dire, pour le pèlerinage marial de Popongine est passé de 18 à 22, 22 000. Peut-être un prix jugé un peu élevé par certains. Euh, qu'est-ce qui justifie cette augmentation subrusque euh, de, ce prix du transport Voilà, euh, merci de m'avoir donné ce, de poser cette question. Et ça a été difficile. Et le prix a été discuté aussi en bureau de l'amicale en collaboration avec le directeur des œuvres. Les années précédentes, c'était 18 000 francs. Et ces 18 000 francs-là, c'était, je ne peux pas dire que c'est... ça suffisait, mais on se débrouillait avec ces 18 000 francs-là. Donc, ces 18 000 francs qu'on avait autant, il se trouvait que avec euh, la conjoncture actuelle, la situation actuelle, les temps ont changé et les prix aussi ont changé. Mais faut désolé de vous le dire, mais euh, auparavant, vous n'avez pas aussi de soutien. Maintenant, vous avez un soutien de taille, c'est-à-dire les ressortissants de Ziganchor qui résident à Dakar. Voilà. Euh, autant, on se, l'amicale organisait des activités, des activités lucratives pour pouvoir soutenir quelques sous pour cette organisation-là. Et vous voyez, avec cette pandémie, il y a deux ans de cela qu'on n'a pas organisé d'activités pour, pour cela. Et donc, euh, je peux dire les caisses sont en bas. Et là, pour l'organiser, il faut d'abord euh, faire le bilan des années précédentes. Après, avoir fait le, bilan des années précédentes. Et notre prévision de cette année-ci, on a vu qu'il faut que le prix puisse, euh, puisse, euh, puisse augmenter. Mais bon, euh, avec nos, amis de Dakar, ils ont, ils ont beaucoup fait pour nous. Ils ont beaucoup fait pour nous. Et vous voyez, arriver ici à Popongine, ce n'est pas seulement nos jeunes qui sont là. Vous voyez l'organisation, qui devait se faire pour 300 personnes, il le fait pour 600 ou 700 personnes qui arrivaient à Popongine. Tout le monde dit qu'on va, ce sont nos mamans, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs qui sont là, on y va. On n'a jamais, jamais, jamais dit à un ressortissant de Ziguinchor qui vient à la maison Émile Badian, oh non, vous, vous n'en faites pas partie. Donc, on accueille tout le monde et tout ce qu'on a, on se le partage. Vous voyez Et aujourd'hui, aujourd'hui, si les moyens n'étaient pas là, on ne pourrait pas. On ne pourrait pas. Les gens qui ont l'habitude de venir ici diront que ah, cette année-ci, on est venu, on n'a pas mangé, on n'a pas fait ceci, on n'a pas fait cela. Et nous, on saura que ce sont les moyens qui ne suffisaient pas. C'est pour cela, cette année-ci, les prix sont allés jusqu'à 22 000 francs. Mais même avec ces 22 000 francs-là, ce sont des prix fixes, encore une fois. Donc, alors, vous apportez votre soutien à l'organisation pour euh, la marche pèlerinage Poponguine et vous constatez que les prix sont passés de 18 à 22 000. Qu'est-ce que quelque chose vous choque pas Bon, ça me choque pas venant de du prix parce qu'on est resté deux ans. Ils sont nous tous on est resté deux ans sans pèlerinage et eux ils sont restés presque deux ans sans activité. Donc ce sont les activités qui font à les Khawaré, les, les bons dimanches et tout, qui ramènent du fonds. Et c'est ces fonds-là qui font que eux, ils peuvent diminuer leur cotisation. Mais aussi, il y a une chose, on organise, eux ils organisent, personne ne vient. Comment on va faire pour avoir ces fonds C'est ça la question. Mais je sais que cette année, pour voir comme ils ont vu, comme ils ont vu ce que nous on a fait pour eux. Moi je les défie. Je les défie. C'est un défi, mais euh, par rapport à l'organisation, euh, Fanfou l'a dit tout à l'heure, euh, l'organisation à un moment donné, la délégation de Ziguinchor est assiégée. Il y a tout le monde qui veut venir à Ziguinchor et il peut même y avoir des gens qui ont cotisé, qui ont participé et qui ne se retrouvent pas dans tout ceci. Euh, quelque part, est-ce qu'il n'y a pas faille au niveau de l'organisation, au niveau de la sécurité, de la gestion de la chose Oui, par rapport à la sécurité, par rapport à la sécurité, je vais commencer par rapport à la sécurité. On ne peut pas filtrer des gens ici au niveau de Émile Nous tous, on est de la casemance. Vous avez cotisé, vous. Vous venez, vous avez votre badge. Je sais vous avez deux ou trois frères et sœurs qui sont ici à Dakar. Ils ont cotisé avec leur paroisse. Mais normalement, après la messe, c'est normal. Notre frère est là, il faudrait que je vienne le voir. Donc, c'est ce qui nous pose problème, c'est chaque fois. Parce qu'on ne peut pas filtrer. Moi-même qui suis, par exemple, si je suis à la porte pour filtrer, mes sœurs, si elles viennent, elles vont rentrer. Alors qu'elles cotisé dans une autre paroisse. C'est la Casamance. C'est ça la Casamance. Nos portes seront ouvertes à tout le monde. Mais quand même, il faut mettre ça dans les règles de l'art. Tu viens, on est ensemble, on mange ensemble. On est la seule délégation où, à la porte, il n'y a pas une sécurité qui, qui, qui, interdit les gens qui n'ont pas ce badge d'entrée. Je vais faire un, un, petit, petit clin d'œil au, à la paroisse des martyrs de l'Ouganda. Parce qu'à Dakar, c'est ma paroisse. Martyrs de l'Ouganda, ils ont pris des vigiles qui sont là-bas. Tu viens, tu n'as pas ta badge. Inscrit, Martyrs de l'Ouganda, je cherche ce temps, ils te disent appelle-le, sinon tu ne rentres pas. Ce matin, c'est moi qui ai pris le petit déjeuner pour l'amener dans leur logement. Mais ils ne m'ont pas laissé entrer. Donc c'est des choses qu'on apprend. Au fur et à mesure, il y a des failles, mais au fur et à mesure, on apprend de nos erreurs. Tout ne, pas, tout ne peut pas être rose d'un seul coup. Je vous dis que c'est cette année qu'on a fait notre première marche en tant qu'amical des amicales, euh, amical des marchés du Joseph Ziguinchor, section Dakar. Donc, oh, c'est la première année. Merci, on apprend de nos erreurs. Et eux, ils vont nous revenir nous dire, ah, on a constaté que ça et ça et ça améliorer. On a constaté que ça ça ça, il faut le faire pour l'année prochaine. Moi, c'est comme ça. Alors, euh, marche pèlerinale euh, Poponguine Popongine, 2022, le soutien des autorités régionales du Sud est sans doute attendu par cette jeunesse, euh, catholique de Ziganchor. On ne sent pas euh, les autorités régionales, peut-être une seule personne, je n'ai pas dire, je n'ai pas m'aventurer, je ne sais pas, je ne suis pas de l'organisation. Alors, euh, par rapport aux autorités locales, est-ce que vous avez senti euh, le soutien de ces derniers Est-ce qu'ils vous ont soutenu Voilà, pour cette question, moi je dirais que je demanderais qu'au niveau de ces genres de manifestations religieuses, que les autorités puissent mettre tout le monde au même pied d'égalité. Pourquoi le dire Nous autres, moi qui te parle, je n'ai jamais eu de soutien par rapport aux autorités de notre, de notre région. Seuls peut-être les ministres, quelques ministres qui nous aident des fois dans nos, dans dans nos autorités. Mais il n'y a pas un budget qui vient, qui, qui veut dire que ça c'est un budget qui vient ou c'est de l'argent qui est sorti de la mairie, par exemple, du conseil département de la jeunesse ou de certaines entités de la région pour aider les jeunes qui sortent de Ziguinchor, qui représentent tout la Casamance pour ce pèlerinage-là. Oui. Si je comprends bien, Fanfo, euh, li, il faut que je me voilà pour gars de comprendre. Fanfo, euh, que si euh, marche pèlerinage Pongine autorité bu dëkk Ziguinchor nekk feneen doo leen les sentir mairie Dolen sentir ay Yenen ministre ñoo jógee feneen ñoo dimbale leen. loolu moom lu dëgg depuis bu ma Ziguinchor en tout cas man lu ma xam bu ma doon les jeunes là pour la marche Ben autorité mosuñu jàppale surtout aux côtés de la mairie régionale mairie mosul naa ni que jël na pour jox jeunes yi. loolu lu bees la wala depuis les mairies. yagna yagna yàgg mom yagna am au niveau de Ziguinchor. est-ce que bind maire on a tout le temps écrit on a tout le temps écrit et saa buñu démé way tay suba gannaaw suba comme d'habitude comme d'habitude c'est pour cela que ne ni que il faut que nos autorités au niveau de de Ziguinchor nous mettent tout le monde au même pied d'égalité parce que, bon, certes, nous, on ne met pas la pression. Je ne veux pas dire que les autres mettent la pression, mais nous, on ne euh, met pas la pression, pression sur nos autorités. Donc aussi, il faut qu'ils eux aussi, qu'ils nous comprennent que nous, nous ce pèlerinage-là, on représente tous les jeunes du, diocèse de Ziguinchor et même de la Casamance. Donc, il faut que nous autorités, il y a une euh, région, il y a une commune, yi dañ leen di jàppale dañ leen di fépp fépp foo tourner Sainte maire à ak mais nous, Ziguinchor on voit même pas je ne sais pas depuis fort longtemps je ne sais pas le pourquoi. décision est d'État il faut savoir que euh, lolo ça ça date pas d'aujourd'hui depuis fort longtemps euh, les autorités euh, municipales bu commune de Ziguinchor de nous soutenir les marcheurs de Ziguinchor. L'OLU, mom lu encore ça je le répète haut et fort et je défie kii ku nga xam ne mënu ma défier depuis ma nekk fi ba boobu xam naa ko plus de vingt ans aujourd'hui je l'ai jamais waaw musuma ko gis. Fafa day taxaw foofu damay tourner ci euh, rappelé ma tur bu Daniel Daniel Sagnan Daniel dégg Daniel Manga autant pour moi euh, dégg nga li Fafa wax euh, vous êtes pour la plupart des membres de l'amicale des étudiants hein, yi nga xamante euh, sans doute vous côtoyez des hommes politiques Yen, quelle appréciation faites-vous de cela C'est-à-dire comment pouvez-vous comprendre que euh, vous n'êtes pas soutenu par vos autorités euh, locales, au-delà de la mairie, les autorités de la Casamance, nous de euh, soutenir les jeunes qui une marche Bon, je peux dire que côté politique, on met ça de côté. Parce que non soutien, non, Voici, parce que nous par exemple man comme nous nous ko faire par exemple nous avons bind ay de soutien pour man fu je liggéeyee ma jox ko patron Kenen, ak kenen, ak kenen, ak pour recherche de fonds mais c'est vrai Fanfo ce qu'il a dit je suis témoin de ça parce que ça fait 12 ans on travaille ensemble ça fait 12 ans on travaille ensemble par rapport à Popenguine Nous trop nous trop raison pour laquelle nous... Nous bu les jàppale nous xam les autorités de Ziguinchor nous ñu jàppale nous ñun c'est juste pour les leen nous ñu créer mais par rapport à côté financement, sérieusement nous on se débrouille avec des cotisations mensuelles des cartes de membres des cotisations mensuelles en plus de ça les bienfaiteurs dañuy may moom ko suñu caisse. lay wax c'est-à-dire les autorités de la Casamance en tant que euh, autorité étatique normal il se doit que ñu soutenir leen mais euh, ren on a senti peut-être que la main d'une seule personne dans naa il faut de nous revenir pourquoi pas les autres qu'est-ce qui justifie cela yéen nan ngeen di comprendre l'autre, nan ngeen di ko apprécier. bon Il faut que ci wax dara parce que parce que xaw xam non non nit on a on a démarché. mais xam nga boo ñëw nit ki da nga koy ñaan nga jokkoo ak sa carte de soutien chaque fois da ngay woote suivi booy ñaan chaque fois da ngay def suivi da ngay toog moo tax avant ñuy xaar ñooñu ñu koy defaral ñun dañu bëgg dafal ko suñu bopp mais bëgg nañu ñoom tam ñu ñëw jàppale ñu ku ñuy puus soxla nañ ko waa Ziguinchor ñooy marchés yu gën a sonn ñu ngi si ko map 31 délégation 31 délégation Ziguin Chor rek moy 22 000 le reste des paroisses 10 000 9 000 10 000 9 000 pourquoi alors en l'absence de soutien Ziguin Chor moy unique paroisse unique unique je je veux dire vous avez 22 000 10 000 tout ça alors ce manque de soutien euh, ça crée un sentiment de frustration pour vous même le le là hein? Aujourd'hui, avez ce soutien de taille. Il que nga autorités ay maires auto euh, moyens de transport jox ko jeunes donc je pense bien que nous doon ñëw sa à 200 ou wala 300, dina ñëw à 500, à 600 personnes parce que quoi qu'on l'on dise la jeunesse euh, am ne bëri nga mais ils veulent faire cette démarche de foi là mais ce sont les moyens qui ne suivent pas donc aujourd'hui moi je pense bien que les autorités sont là pour nous war nañu mën tok nous ñu jappalé ñu lenn la benn la parce que nous comme nous mako ko le pèlerinage bi c'est national mëna naa dem na dimension internationale parce que du ñun rek ñokoy def ñoy ñoo ñoo nek Mauritanie ya nga fi Gambie ya nga fi même Guinée-Bissau Mauritanie sax léeg dañuy ñëw donc aujourd'hui ces autorités là au niveau de man ci li wax sama autorité au niveau de Ziguinchor tey bu ñu jàppalee autorité bi ki muñu jappalé ci li keneen jappalé ci li keneen jappalé ci li mun naa woon ne sax mënuñu woon fay ku nekk 5000 francs donc tout sera là et c'est aujourd'hui pour te dire carrément c'est le moyen de transport qui est cher de Ziguinchor à Dakar c'est trop cher donc lolu bu fekké té tey nañ ko amoon nañ ko ça ça nous mettra à l'aise ñu togon fi sa di def ay soutien fi ay fi ak yeneen non on n'allait pas le faire on allait dire seulement aux jeunes donner seulement des comme des francs symboliques pour qu'on puisse organiser ce pèlerinage là donc moi, je pense bien qu'il est temps quand même que ces autorités quand même on les tord le bras mais on les tend quand même la main pour que nous Nous ñu. Nous rek ñoom rek la ñu mën pour a organiser suñu suñu suñu pèlerinage ak yenen euh, comment dirais yenen euh, waaw yenen diocèses yi ils viennent en masse ils viennent en masse parce que seen autorités ñu ngi fii taxaw nañu ay huit et quelques ñu leen di jappalé très bien pourquoi pas Ziguinchor ñëw ben année plus de cinq cent jeunes te boobu nak buñ koy défé bu buy amee nag dinañu naan ne je ne fais pas la politique excusez-moi nee naa ci ci ci jamono tel maire la tel maire la tel maire la mais c'est beau à entendre c'est beau donc mais pourquoi pas nous bëgg chaque fois ñun nous ñëw suñu seen on peut pas courir derrière eux on peut pas courir chaque fois derrière eux pour leur dire que ah jàppale ñu jàppale ñu mais c'est lu nga nous avons mu ngi calendrier national en tout cas nous savons que chaque année nous ñi dañuy dem pèlerinage à Popenguine jeunes yi un dem pèlerinage à Popongin, madame bi day dem pèlerinage à Popongin. C'est le temps quand même pour nous ah, cette fois, cette année-ci, petit budget, on va faire ceci, on va faire ceci, on va faire ceci, pour ces jeunes-là, pour ces gens-là. Voilà. Alors, euh, mm, je sais bien que vous êtes toujours scotché sur la meilleure des fréquences euh, dans le sud du pays, la Radio Génération FM, toujours à vous accompagner. Dylan Gungé, le Plinga li nga le euh, développement Casamance, mais surtout une vitrine offerte à la Casamance naturelle, à Ziguinchor en particulier, di li nga Nous avons fait le voyage avec eux. Alors, damay dem ci li nga dernière ligne droite avec vous pour vous demander taï bi à Daniel à mon amoon li d'un sandy Sandy comme message un message fort à lancer à l'endroit de la jeunesse de nos autorités mais surtout à l'endroit des organisateurs à l'endroit euh, du diocèse de Ziguinchor nos pères spirituels et tout. ok tout d'abord euh, j'aimerais remercier encore Fanfo pour euh, la confiance parce que je l'ai dit tout à l'heure on a ça fait 12 ans qu'on travaille ensemble amna ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne ñoo doon liggéeyandoo fii mais neewatuñu fii mais ba léegi mu porter confiance bi ci Daniel et son équipe ñoom Hubert René Bart le chat bëgg a remercier tamit euh, suñu parrain bi tonton Auguste et sa femme notre conseil jàppale nañu bu baax a baax a baax a baax a baax c'est un papa lépp la su ñun euh, en plus euh, le curé des martyrs de l'Ouganda nous ñu koy parce que 255 marcheurs pendant des années nous nga ubbi sa yi martyrs nous avons ñu nous fa et tout donc euh, merci à monsieur le curé à tous nos sponsors je ne je vais pas faire la pub mais aussi permettez-moi de remercier Total remercier Premier bête Sénégal, DHF et les autres. La liste est exhaustive. Merci Fanfo, merci Fanfo, merci Fanfo. y a liggéey musuñu am problème xanaa peut-être moi je remonter ma les bretelles mais chaque fois il nous aide lui aussi Nous sommes ci merci. Je les Je vais me tourner vers Fanfo. Fanfo, un dernier message à l'endroit euh, des jeunes à l'endroit aussi de nos pères spirituels mais surtout à l'endroit de nos autorités à euh, mes message voilà euh, je dirais un grand merci à nos autorités de en en premier le directeur des œuvres Abbé Gaston qui a tout fait pour nous pour nous encadrer pour nous guider dans tout ce que nous faisons pour ce pèlerinage. Et aussi un grand merci à ceux de Dakar, nos jeunes de Dakar qui, comme nous le connaissons, depuis, depuis début de l'année, nous avons préparé, préparé, préparé pour ce grand jour-là. Et je leur dis un grand, grand, grand merci, un bravo sur, euh, pour, euh, pour Lolo. Alors, euh, nous allons vous faire vivre les moments de l'entrée de la délégation de Ziguinchor. Madame le ministre, madame, vous avez accompagné Ziguinchor euh, depuis, euh, depuis euh, Cap des Biches, vous êtes ici, nous voici à Popondine. Ben, c'est un plaisir déjà rendre grâce à Dieu hein, que tout le monde soit arrivé sain et sauf. Et venir euh, accomplir cet acte de dévotion. C'est vraiment un réel plaisir d'être là. Et de tout déposer sur, les, sur la, les Vierges Marie cette ferveur qui anime la jeunesse du Sénégal, les jeunes catholiques. C'est ça, c'est ça, c'est ça le, pèlerinage. C'est ça le pèlerinage, ça réunit toute la jeunesse dans la foi, dans la ferveur et aussi dans l'allégresse. Parce qu'on fête Marie, on fête la mère de l'Église. vous qui suivez bien sûr la radio Génération FM partout euh, dans le Sénégal, partout dans le monde, vous l'avez vu, euh, l'entrée de la délégation de Ziguinchor, euh, c'était à l'instant. Nous étions bien sûr avec les laïcs, les organisateurs de ce pèlerinage marial de Popongine, mais tout cela est coordonné bien sûr par quelqu'un qui est effacé, qui est dans l'ombre par des gens qui sont effacés, je veux dire, qui ont accompagné la délégation de Ziguinchor. Nous sommes naturellement avec Abbé Gaston. Abbé Gaston, bonsoir. Bonsoir. Alors, avec Gaston, euh, vos premières impressions par rapport au déroulement du pèlerinage Oui, en tant que nouveau directeur des œuvres, disons depuis octobre dernier, je dirais qu'on euh, a passé un très beau pèlerinage, en ce sens que euh, les choses se sont déroulées comme nous les avions souhaité, mis des inscriptions, où on était obligé de, continuer à prendre des inscriptions. Également l'état de la route qui a rendu un peu difficile le voyage. Mais les jeunes, comme je le leur disais aux martyrs, ont été des durs. Voilà. Ils ont montré que voilà, c'est une démarche de foi qui leur tient à cœur. Ils ont pu venir jusqu'ici. Donc nous rendons grâce à Dieu pour tout cela. Une démarche de foi qui les tient à cœur. Naturellement, c'est ce qui anime cette jeunesse euh, de Ziganchor, cette jeunesse catholique euh, du sud du Sénégal. Nous sommes bien sûr avec Abbé euh, Augustin Sambou. Abbé, bonsoir. Bonsoir. Alors Abbé, vos premières impressions par rapport à tout ceci, par rapport à l'organisation, par rapport au pèlerinage Marial Poponguine édition 2022 Alors le pèlerinage euh, Marial Poponguine, euh, comme toutes les fois où on l'organise, euh, regroupe beaucoup de jeunes. Les gens viennent de partout. C'est vraiment, ils répondent à l'appel de la Vierge Marie. Et après deux ans de rupture Dû à la pandémie Covid-19, nous avons repris cette année avec la 134e e édition. Et voilà, nous sommes satisfaits parce que nous avons vécu un très bon pèlerinage, malgré la fatigue de la marche, parce qu'il faut le dire, la marche, ce n'est pas facile. On arrive fatigué, mais malgré cela, on tient le coup parce que c'est une démarche de foi, parce que c'est la Vierge Marie qui appelle. Alors, euh, le constat est là, le pèlerinage s'est déroulé dans de, très bonnes conditions. Les gens ont répondu à l'appel euh, vu la masse de, la participation aux activités liturgiques, surtout à la messe. À la messe, les gradins étaient tout remplis, les alentours, donc certains n'ont pas eu de place. Tout cela dénote euh, de la ferveur euh, des jeunes, des mamans, de tous ceux qui sont venus participer à ce pèlerinage irez-vous jusqu'à dire que euh, ce retour du pèlerinage marial de Popongine pour euh, euh, le diocèse de Ziguinchor est une réussite C'est une réussite pour le diocèse de Ziguinchor, même si, voilà, il faut le signaler, d'année en année, les tarifs montent. C'est un peu cher pour certains, mais dans l'ensemble, les jeunes s'efforcent, ils se sacrifient pour pouvoir participer à ce pèlerinage national. Alors, il l'a dit tout à l'heure, Abbé euh, euh, Augustin vient de le dire, avec Gaston, euh, des difficultés rencontrées notamment avec la montée du prix initialement dans les années précédentes de 18 à 22 000. Abbé, en tant que coordonnateur de tout ceci, par rapport à l'organisation, direz-vous que ça a été une réussite ah, je pourrais dire que ça a été une réussite malgré le fait que donc, euh, la participation a, augmenté. Du moment que pas mal de choses aussi ont augmenté, le, euh, prix du carburant et puis euh, donc des denrées alimentaires. Donc je pourrais dire que ça, ça a été une réussite. Ça a été une réussite parce que je ne vois que des visages rayonnants de félicité. Donc ils sont tout heureux d'avoir vécu ce pèlerinage. Et je me dis que ce qui compte, c'est leur bonheur. Hein, le fait d'avoir vécu ce pèlerinage dans une démarche de foi, mais aussi dans, une démarche euh, fraternelle, du moment que ça leur a permis de rencontrer d'autres jeunes originaires du diocèse et des autres diocèses du Sénégal. Donc ça a été vraiment une réussite. Alors, Abbé, euh, tout à l'heure, euh, les organisateurs, les jeunes du diocèse, ceux de Dakar et ceux de Ziguinchor, qui ont euh, participé à l'organisation et l'a souligné, ils n'ont pas eu de soutien. Qu'est-ce que, vous. qu'en dites-vous en tant que coordinateur pour votre première année Vous n'avez pratiquement, pour ne pas dire pas de soutien, pratiquement pas obtenu de soutien. Euh, je ne dirais pas qu'on n'a pas du tout eu de soutien. Euh, les soutiens, je, dirais qu'on en a eu. Soutien moral déjà. Euh, soutien donc alimentaire en nature. À la cathédrale, la Caritas a pu nous donner quelque chose hein, qui a permis d'amortir un peu, sans compter ce que Madame le ministre Victorine Ankedish a donné donc euh, de en même temps maire de Niagis a donné comme soutien donc financier qui nous a permis donc euh, pardon qui nous a permis de, commencer certaines dépenses avant le pèlerinage Elle nous a donné 15 000 litres d'eau 15 hein, litres d'eau et elle a, eu à payer le transport de cette eau jusqu'ici à Popongine et je dirais qu'on a eu un soutien donc le soutien financier le soutien donc euh, euh, en nature et le soutien moral aussi, parce que sa présence depuis euh, les martyrs, où elle est venue encourager les jeunes, les stimuler, le rappeler qu'elle eh, est jeune avec les jeunes, elle reste avec nous, elle est avec nous, elle nous soutient. Donc euh, c'est déjà donc, une force pour, pour, nous. Hein. Une force, c'est un signe d'espérance pour, pour nous jeunes pèlerins de Ziguinchor. Donc je ne peux pas dire qu'on n'a pas reçu de soutien, si elle nous a soutenus. Peut-être que l'ensemble du groupe euh, n'est pas au courant, mais je l'avais dit à son arrivée, euh, tout en la remerciant, que nous avons obtenu d'elle un soutien. D'ailleurs, avant son arrivée, je l'avais dit, et à son arrivée aussi, je l'ai dit devant tout le monde, ceux qui étaient là. Je leur ai dit qu'elle est venue nous rendre visite, mais en plus de ce soutien moral, nous avons reçu donc, euh, une enveloppe substantielle qui nous a permis de, commencer les dépenses en vue de ce pèlerinage. Alors, euh, Abbé Augustin, vous l'avez entendu tout à l'heure, un soutien, en seul, de euh, Madame la ministre d'État chargée du logement, Victorine Ankedichnei, maire de la commune de Niagis. Alors, euh, en tant que jeune prêtre, ancien marcheur, vous avez toujours eu à marcher avec euh, les jeunes du diocèse. comment appréciez-vous cette situation Alors, c'est toujours avec un cœur rempli de joie que nous accueillons de tels gestes, parce que ça vient appuyer un peu le coup, le coût de la marche, le coût de l'organisation du pèlerinage en tant que tel. Nous félicitons vraiment euh, Madame la ministre pour ce geste, pour ce geste. Maire de Niagis, mais elle ne s'est pas limitée à sa mairie de Niagis. Elle a pris en charge tout le diocèse de Ziguinchor. Voilà aussi une démarche de foi, puisqu'elle est catholique, elle est chrétienne, elle est baptisée. Alors nous rendons grâce à Dieu pour tout cela et nous prions pour que euh, des gestes de ce genre, des gens, que des gens nous, nous, soutiennent, que des gens nous viennent en aide. Parce qu'à nous seuls, euh, le, coût est trop cher, le coût de la vie est trop cher. Donc nous avons besoin parfois des soutiens du genre, tel que l'a fait Madame le maire, euh, Victorine Ankedish Ndei, que nous remercions au passage. Alors, à, entendre tout ceci, est-ce qu'on ne va pas dire que les autorités de la région de Ziguinchor. Quand je parle d'autorité, euh, je globalise tout ce qui regroupe l'arsenal euh, étatique opposants, partis au pouvoir, tout ce qui se réclame autorité de la Casamance. Est-ce que quelque part le diocèse ne se sent pas lésé euh, par rapport à cela pour toute la Casamance, une seule personne venir au soutien du diocèse ben, pour un soutien, un soutien c'est un soutien libre à la personne de soutenir. Nous ne pouvons pas dire que donc euh, nous sommes lésés. Quand, on dit que nous sommes lésés, c'est que euh, on nous a enlevé un droit. Hein? <laughs> C'est comme ça que je comprends les choses. Euh, un dû, du moins. Un dû. les gens nous apportent leur soutien selon... moi, je dis à la mesure du cœur de chacun. Voilà, chacun donne ce qu'il peut, ce qu'il peut donner et ce qu'il veut donner. Donc euh, lésé, <laughs> je dirais pas lésé, du moment que ce n'est pas un dû, nous ne pouvons que rendre grâce au Seigneur, en euh, faisant mention de Madame euh, Ndeye dans nos prières pour tout ce qu'elle apporte, elle a à la jeunesse catholique de Ziganchor pour ce pèlerinage. merci. Alors, avec Augustin, pour, avant de terminer, sans doute un message à lancer à l'endroit euh, des jeunes du diocèse, un message à lancer à l'endroit de tous ceux qui nous suivent et qui nous écoutent partout Un message euh, d'encouragement, surtout à la jeunesse, de tenir ferme dans leur foi, parce que participer à un pèlerinage, c'est tout d'abord, c'est une volonté. C'est une démarche de foi, mais également c'est une volonté. C'est parce qu'on veut qu'on peut et qu'on y arrive. Alors j'encourage tout le monde euh, à être dans cet esprit, cet esprit d'ouverture, de, cet esprit de, de ferveur, cet esprit de, de participation aux activités catholiques, aux activités de l'Église, de l'Église diocésaine du Sénégal, de l'Église du Sénégal, excusez-moi, et de porter en prière le monde entier parce que ce que nous faisons là ne se limite pas au Sénégal ça porte euh, l'humanité entière. Alors vraiment, le message que je lance aujourd'hui est que le Seigneur vraiment continue de nous assister pour que nous ayons la force, la force, la santé et le courage de participer, de témoigner de notre foi et de la vivre en tant que chrétien baptisé, enfant de Dieu et frère de Jésus. Alors, euh, Abbé euh, Augustin, merci beaucoup. Je vais tourner vers Abbé Gaston pour sa première année. Sans doute, euh, beaucoup de monde a félicité, beaucoup de monde a remercié, mais aussi un sentiment de satisfaction, peut-être qui vous anime, des choses à dire à l'endroit de la jeunesse, à l'endroit de tous ceux qui ont participé à l'organisation et à la réussite de ce pèlerinage. Oui, je ne peux que leur tirer le chapeau en les remerciant pour la motivation déjà, la motivation, parce qu'il faut de la motivation pour faire euh, Ziguinchor Popongine, euh, également pour euh, cette démarche de foi qui témoigne quelque part de leur attachement à leur église et, à ce sanctuaire marial. Donc euh, les remercier pour ce témoignage de foi surtout, témoignage de foi qu'ils ont su donner à Ziguinchor et qui continue à donner jusqu'au-delà des frontières du diocèse. Donc, dans euh, dans tout le Sénégal, partout où ils vont, et en particulier ici à Poponguine. Et surtout leur discipline. Leur discipline, euh, ils ont été très disciplinés, et pour ça, je les remercie vivement. un très grand merci pour, euh, pour tous ces témoignages. Donc de fraternité, témoignages de foi, mais aussi d'espérance d'espérance. Ils ont toujours cru que qu'un jour, ils reprendront cette démarche de foi après cette rupture liée au Covid-19, qu'ils reprendront un jour cette démarche de foi. Et on le sent même euh, à travers euh, euh, leur façon de faire, les retrouvailles, leur joie, voilà, leur joie. On sent qu'il y avait une certaine soif. Hein, de se retrouver autour de la Vierge Marie et en toute fraternité aussi. Voilà. En tout cas, je les remercie vivement. Merci, Abbé Gaston euh, Diatta, coordonnateur euh, de, cette marche pèlerine euh, 2022, je veux dire, mais aussi directeur des œuvres saison de Ziguinchor pour sa première année. Nous le félicitons naturellement. Merci également à Abbé Augustin qui était avec nous. Nous vous donnons aussi rendez-vous très prochainement, sans doute avec d'autres personnes qui vont donner leurs impressions par rapport à tout ceci et nous vous laissons vivre des moments exceptionnels. Toujours ici à Popongine. aca mu ko waxon nañ len ko euh, dañuy euh, sék waxtan ak ñep ñi nga xamante ñew nañu fi ci marché pèlerinage Popenguine édition 2022 ñu ñëw féké li nga xamanteni modi euh, pèlerinage dello ki nga xamanteni modi la Sainte Vierge lepp lu mu mom je ni ils l'ont fait avec brio ñu réussir ko dañuy bàyyi sama waji ji mu daa présenté boppam wax nu la bokk ak fu mu ko en fait je m'appelle Valentin Kenny may bokk may dëkk Kadior Bonne paroisse Saint-Benoît de Néma. alors Valentin nga un euh, pèlerinage Popenguine après deux ans d'absence euh, pèlerinage à nga nous lan fait une première impression par rapport à tout ça. bon ma première impression je dis que ren euh, marche bi dafa mel ni dañ parce que ça c'est trop dur de faire trop trop trop ci les novices parce que ñun fait une marche à Gaï. mais vu deux ans il y a deux ans d'arrêt ça a été très très très dur C'est moi, première impression que j'ai fait C'est c'est première impression deux ans d'arrêt Il faut que je me tourne dans la baie. Je suis mardi, je mu présenté vous la bonsoir moi c'est Amandine Ursule Geneviève Baraye euh, ressortissant de la paroisse de Ziguinchor mais je suis à Dakar présentement Dakar l'année que Euh, marché bi ren euh, marché bi ren dafa xew a métti vu que toog nañ deux ans yi nga xam ne marché ñu euh, marché bi dafa xew a tar daal tar na trop sax. marche bi tar na loolu dégg nañ ko mais organisation bi nu ñu leen tertoo fële ca Dakar ngeen ñëw fii Popenguine tamit nu ñu leen tertoo ba xam ndax kontaan ngeen ci. kontaan nañ ci kontaan nañ ci torop accueil bi neexoon na. Euh, accueillir nañu ñun mi ñun mi nekk fii Dakar au niveau de Dakar accueillir nañu ressortissants yi ñëw euh, waa Ziguinchor yi ñëw gis naa ne accueil bi moom neexoon na daal mais man organisation bi dafa xaw a des. waaw booy wax ci organisation bi boo waroon wax tey nga ne organisation bi dafa xaw a des lan moo des ci organisation qu'est-ce qui ki des na yu bëri daal des na des na yu bëri yi ma gis daal man alors. organisation bi dafa xaaw a organisation bi dafa doy organisation bi amna luñ ci wara a soppi yow bo waroon wax ci organisation euh, lepp li nga xamanteni organiser nañ ko fi ba xam ndax amna li nga xamanteni ne gars nañ en fait euh, vu deux ans rupture yi am ni moi je dirais que organisation en fait dañuy xaw a manqué repère parce qu'auparavant c'était très très très organisé mais tamit euh, su ma nee dafa metti rek duma blâmer les organisateurs parce que d'une part bo ñëwé ci dara il faut mettre la main quoi Donc il faut mettre ta patte là-dedans c'est pas parce que nous, sommes organisateurs tu es pèlerin bien vrai que nous nga pour faire une marche avec la madame mais boo nous tamit gars manquement c'est à nous de compléter cela c'est bien vrai que comme nous avons y a des manquements mais au fur et à mesure ça va s'améliorer ça ça j'en suis sûr et certain au fur et à mesure ñuy dem ça va s'améliorer mom lolu lu ko wóor la damay tourner wat wala descendre ak nous. rek pour la ko euh, niko euh, euh bientôt dans quelques instants dans indi euh, delu sur Ziguinchor hmm, sur un doute boo est-ce que peut-être vous allez vous engager pour faire l'état des lieux est-ce que loolu dina en fait bon en fait c'est normal c'est normal après chaque chose faut faire l'état ñu état des lieux loolu même c'est c'est normal mais ci état des j'espère qu'il y aura des choses qu'on va soumettre aux organisateurs Pareil, nous aussi adhérons. c'est ça l'essentiel on a besoin de tout un chacun pour faire du mën c'est de ça qu'on a besoin la main de tout le monde

ñu ñëw fii comme moom ni mu ko waxee rek c'est pas parce que dañoo am ñi nga xam ne ñoom la ñu jël def ko ci kaw nekk ci bureau bi ak yooyu noonu moo tax ñu war leen a mën a bàyyi liggéey bi ñun dañ cee war a bokk ñun membre en tant que membre amical war cee dugal suñu loxo pour affaire yi gën a jaar yoon mënuñu leen bàyyi liggéey bi ñeneen dañuy ñëw naan ay marché lañu bu ñu ñëwee dañuy toog toilette toog mais liggéey balaa moo neex rek ñu sëkkatoo ko. boole si suñu doole ndax affaire yi jëm kanam. léegi sans doute euh, lépp li nga xamante ni moom mooy sa dernier mot li nga xamante ni moom ngay tëje euh, lan ngay wax jeunes pèlerins yi ak ñi nga xamante ni dañuy ñibbi sur Ziguinchor. Euh, man li may wax jeunes pèlerins yi mooy nañu yokk nañu gën a yokk góor góorgóorlu daal gën a yokk góor góor góorgóorlu surtout ñi nga xam ne ñu ngi fi yëg nañu ne amicale baa ngi am. duñu def ben effort ñeu ya ci amical bi nañ def tout ñeu adhérer parce que affaire yemul fi ah, am na ay surprise ci biir ñaanuñu yalla tamit yem fi bëgg nañu liggéey di gëna dem kanam wa nañu baña tok ba dernier moment buñu ñëwé après buñu len waxé suñu suñu règlement yi teudal ku ci nekk bëgg gis bopom ndax yow bo togué ba dernier moment té xam nga ñun amna ñu amical bi nga xamné nañ ko bu yagg yow mi nekk waa Ziguinchor même bu fekkee nekkatoo Ziguinchor yaa ngi Dakar comme ñun ñun am nañ fi amical au niveau de Dakar ñu ngi liggéey ñu ngi def lu ne ñu bëri yëg nañ ko mais du ñu ñëw dañuy toog ba dernier moment ñëw bu ñu ñëwee buñ ñu leen waxee lii ñu commencé di wax di ci gis ku nekk di ci gis boppam mais bu ñu ñëwoon def comme ñun affaire yi gën a neex xam nga waa Ziguinchor aussi maa ngi leen di ñaanal. Euh, bon retour ku si nekk na na dem egg ak këram waaw alors tëj Mom, euh, euh, lan dernière impression message que nga xam lancé euh, par rapport à pèlerins par rapport à vos frères de Dakar qui vous ont soutenu mais aussi par rapport au retour sur Ziguinchor. en fait c'est ma dernier mot par rapport aux pèlerins moi je que à chaque fois bu si on fait des constats concernant l'organisation après on doit se demander aussi qu'a-t-on fait pour les aider. Ça aussi, il faut qu'on le, qu'on le, fasse. Berenbi, à l'endroit de nos confrères de Dakar, manam amitié nous continuons. On est tous des On est des frères, on est des sœurs, on est de la Casamance, euh, on est fiers euh, d'être avec eux. Et c'est à encourager et je pense que ça va continuer bon vis-à-vis de au fait j'ai quelque chose aussi bi ça m'a un peu marqué ba ça concerne suñu Rubus, bus yi il y a eu trop d'arrêts moi je sais pas pourquoi mais dans les roms forum et pourtant il y a des ay ont euh, ñu tout le monde savait que nous, ñi pèlerinage des jëm mais tout le temps les douaniers sont là les contrôles et tout ça on dit dit pas que c'est pas normal mais kuy dem pèlerinage tallal leneen lu dul def ñaawteef pour la prochaine fois ñu xol ba autorité nous ñu mun na pour lool parce que ça ben yon bi day metti ñaar wàcc yegi tamit c'est trop fatigant benen bi tamit c'est à l'endroit des autorités ñuy dimbali nit ñi comme certains le font ci sen yenen euh, gox yi l'aide de, de la mairie et tout ça on en a vraiment besoin vraiment besoin parce que Casamance, nous sommes diocèse de Ziguinchor, on a 300 pèlerins, c'est trop petit. C'est trop petit. On mérite d'avoir 600, 700, 800, bon 1000. Pourquoi pas Pourquoi pas Parce que bien vrai que gars dañuy bëgg mais comme il n'y a pas dette on affaire bi day xaw a choses. c'est ça appel Boblam le met lancé vis-à-vis des autorités. voici ce qui va clôturer cet immense plaisir que j'ai eu l'honneur de vous présenter Laurent Mendy c'était moi à la voix Xavier Gomis était derrière les caméras vous allez suivre tout à l'heure euh, les images de l'arrivée de la délégation de Ziguinchor ici à Poponguine. c'était un plaisir de vous servir la 93.4 toujours présent accompagner euh, la région naturelle de Ziguinchor la Casamance partout où le besoin s'y est et nous vous donnons rendez-vous dans nos prochains numéros d'ici là portez-vous bien restez à l'écoute de la meilleure débat d'FM FM 93.4 la radio Génération FM nga mën ko seetaan mën ko déglu ñun Génération FM au revoir.